Thank you. Il 11h à Niamey et partout au Niger. Chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci d'être au rendez-vous du midi, le Niger sur Kalangou. Vous nous écoutez à travers nos radios partenaires. Merci de votre fidélité. Je suis Salamotou Kadri et à mes côtés, Habiba Ahmed pour la présentation. Bonjour Habiba. Bonjour Salamotou, comment vas-tu Je vais bien, merci. On fait aussi un petit coucou à ceux qui assurent de l'autre côté de la vitre du studio. À la technique, c'est Amina Hassan et Adam Adawa à l'édition. On vient avec quoi pour nos fidèles auditeurs ce matin, Salamatou Aujourd'hui, Habiba, un choix multiple de sujets est retenu pour le plus beau plaisir de nos auditeurs. Il y aura de la musique, du loti, de la page sport et sans oublier le flash d'information. Ce matin, nous suivrons également un entretien du sociologue Issa Alou Aye sur la mendicité. Chers auditeurs, installez-vous confortablement. N'échangez pas de poste. La Médina du studio Kalongo se maintenant. auditeurs du studio Kalangu, nous commençons avec Rafika Taher pour le flash d'information. Bonjour Rafika. Bonjour Habiba. Bonjour Salamatou. Bonjour Rafifi. Alors pour ce matin, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la Terre, un événement annuel qui permet de sensibiliser les communautés sur la singularité de notre planète, sa richesse et sa biodiversité. Le jour de la Terre fut célébré pour la première fois le 22 avril 1970. Au fil des années, le jour de la Terre est devenu le mouvement participatif participatif en environnement le plus important de la planète. Aujourd'hui, plus d'un milliard de personnes dans 193 pays passent à l'action chaque année dans le cadre de la préservation de notre planète. Le ministre du Pétrole Barkebako Mohamed Mustafa a rencontré samedi 20 avril 2024 à Niamey les opérateurs de la China National Petroleum Corporation CNPC de Savannah et de CIPEX, acteurs majeurs dans l'exploitation du pétrole nigérien. Le contrat d'exploitation, les recrutements du personnel et la gestion du pétrole nigérien sont les points abordés lors de la réunion. Selon le ministre de la CNPC et la société WAPCO, sont chargés du recrutement de leurs sous-traitants depuis toujours. Concernant les recrutements, une mission conjointe du ministère du Pétrole et celui de la fonction publique a déjà enquêté sur le sujet au niveau de la SORAS, puis de WAPCO et CNPC et leurs sous-traitants. Si des manquements sont constatés, ces sociétés assumeront les conséquences, a précisé le ministre du Pétrole Barkebako Mohamed Mustafa. Ensuite, enfin, le gouvernement nigérien a annoncé son intention de retirer la licence d'exploitation du projet minier de Madawela à l'association canadienne Goviex. Et cela si la production ne débute pas avant le 3 juillet 2024. Le groupe Goviex n'a toutefois pas précisé si elle sera en mesure de respecter la date butoir imposée par Niamey. Voilà pour le flash de ce matin. Merci beaucoup Rafika. Chers auditeurs, dans cette émission, nous suivrons un entretien du sociologue Issa Alou Aye sur la mendicité. Mais nous allons d'abord écouter notre première sélection musicale du fait Mahamadou Gao. C'est parti. Mai ba mutum ya ƙara masa jallaba kamata yi. Alhaji ba musa arewa mani doli. Yahu gana lilwar haɗan malam mijin bari'a. Alhaji ba musa arewa mani doli. Yahu gana gyambala mai gana bubu hamma ya zo. sarkin gana jori mai daraja dan hamani na zo. Wata gamsu yayyaban annabi ne ya ba majori. Mita lawali na alhaji kuma ahiri na jori. kai ba a mai da gwamnati ta makar ka gwamna jori kuma ba a mai da farati ta makar yana ka jore ne na lalle jori an na fari kuma jori ne na karshe mai gara ti jori mai bambu mai gidan igwala. mai tsaro rafi bi makiyanka su da nijar hala abadin su komo. Haba ku sa kiɗin yiwa inda mun ka taso don ta wuce haƙotar tarko baya kama kiwa. Mahamadou Gao est un poète originaire du village de Gao dans le département de Filendie, région de Tilaberi. De son vivant, il chantait les mérites de la coopération entre le Niger et le Nigeria, présentés comme des jumeaux condamnés par la géographie et l'histoire à travailler ensemble. Cette chanson du répertoire inépuisable du fait Mahmoud Gao que vous êtes en train de kiffer parlait de Hamani Diori. L'artiste présentait le Niger comme le meilleur pays où il fait bon vivre à l'époque.

yanzu zamanin alhaji dan amani jore mun samu gadon karfe man talatare ne da shimfidar karen miziki har da tura haushi. Kai yanzu zamanin alhaji dan amani jore gargal iri-iri. Dishe iri-iri. Sabuni iri-iri. koda iri-iri. Mai busuru da mai maryam sun cike da kamshi yanzu mai ramaje. Yanzu zamanin alhaji ɗan amani dole, mun wadata mun samu tufa ga zamani ne.

kowa shi na da jaradan na salati har da yalo. Ya taimake mu Allah ya taimake shi joyi. Kada wuri rijiyoyin mu na can kasar filin ko an gina gaba hamsin ba su yin ruwa. wanda ba ya san jori hamani bambuki na ne Don ko jori ya kashe faratal babu zo ka kawo. Mun manta da laila ya isan tangara fa dogo. Mun manta da tungu malado can nan da bai da gango. ayi gumma babu gan wanda ate a baka gango. ba Sai ƙarami ya kurɗa babba shin mi abin ga yazzan. Alhaji ba gari na kwakwakwa da gwamna yayye kai ya yi daji hamani jori. gari daji Gari gari gidan lakwatara ya yi gwamna jori.

Chers auditeurs, retour au studio après cette pause musicale pour suivre la première partie de notre entretien qui parle de la mendicité et ses différentes formes avec le sociologue Issa Alou Aïe. Il est interrogé par Salamatou Kadri. Écoutons. Sociologiquement, expliquez-nous la mendicité. La mendicité peut être euh, définie comme étant un phénomène social qui amène un certain nombre d'individus ou de groupes d'individus à tendre la main pour pouvoir, auprès de leurs semblables, pour pouvoir assurer leur subsistance au quotidien. Donc, c'est cette situation de vulnérabilité, de fragilité, dans laquelle un certain nombre de citoyens peuvent se retrouver parce qu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir subvenir aux besoins élémentaires de leur vie et par conséquent se voient dans l'obligation de tendre la main vers leurs proches. Donc cette société, elle on a comme l'impression qu'elle est complaisante, qu'elle est complice, parce que vous allez voir, c'est des pères de famille qui vont se complaire en poussant leurs femmes et leurs progénitures à venir dans les centres urbains ou à sortir du Niger à la quête de l'argent facile. Parce qu'ils ils ont abdiqué. On met au monde aux enfants, non pas pour les faire prendre en charge par quelqu'un d'autre, mais pour que soi-même, on se décarcasse afin d'assurer leur subsistance et leur devenir. Malheureusement, de plus en plus, en tout cas, je ne dirais pas l'ensemble du peuple nigérien ou de l'homme nigérien, mais beaucoup, et dans beaucoup de milieux de notre société, de notre communauté, l'homme nigérien a démissionné dans ce sens-là. C'est une triste réalité que nous sommes en train de vivre et cette forme de mendicité, la conscience collective nigérienne n'est pas d'accord avec. Parce que quoi qu'on puisse dire, l'islam, c'est vrai, interdit la mendicité ou accepte la mendicité sur un certain nombre de conditionnalités. Et parmi ces conditionnalités, il n'y a nulle part où on vous demande de faire de ça un business, un commerce. Mais il y a une vérité qui est là. À chaque jour que Dieu fait, l'homme nigérien est un musulman et que la société, l'islam nous recommande d'assister nos frères sont en difficulté. L'islam demande d'enlever la zakat. L'islam demande de faire de l'aumône. Il y a beaucoup de sourates, il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de hadiths qui attestent et qui nous demandent de venir en assistance à nos frères qui sont dans des situations de difficulté. Au Niger, la pratique est aussi vieille que le pays. Comment elle a vu le jour et s'est développée C'est une pratique qui a vu le jour par un certain nombre de raisons. La première raison, je pense que nous pouvons mettre en avant, ou l'acceptation par la communauté nigérienne de la mendicité, c'est le phénomène des enfants talibés, des enfants qui partent à l'école coranique dont le plus souvent le maître coranique les embarque dans les centres urbains. À des dizaines d'enfants, parfois de vingtaine à sa charge. Or, il n'a pas les moyens de pouvoir se subvenir à leurs besoins. Et l'astuce qu'il trouve et qui est acceptée par la communauté, c'est qu'aux heures de repas, ces enfants-là sont libérés vers les concessions pour qu'ils puissent mendier afin de trouver la subsistance. C'est ainsi que vous allez voir ces enfants, et surtout les jours, le vendredi, le jour de la grande prière pour les musulmans, ils seront également là en train de chercher cette subsistance. Et la communauté a fini par accepter euh, cette forme de mendicité parce que tout simplement on sait bien que ces enfants-là sont à la quête du savoir. Ils vont acquérir un certain nombre de savoirs et de savoir-faire qui puissent être bénéfiques pour la communauté. Et du moment où le chef n'est pas à mesure de subvenir à leurs besoins, la société, dans son élan de solidarité, l'assiste à pouvoir gérer ces enfants qui sont le devenir commun de la société et de la communauté. Chemin faisant, nous avons commencé à avoir une autre forme de mendicité. Celle-là qui a été également plus ou moins acceptée parce qu'elle émane des invalides, de ceux qui sont physiquement inaptes à pouvoir être de véritables producteurs, au même titre que les autres êtres humains. Eh bien, la communauté les assiste également. La communauté les appuie également pour qu'ils puissent se venir à leurs besoins. Et là, cette forme également de mendicité est acceptée, elle est plus ou moins permise en tout cas la société ferme les yeux par rapport à ça et assiste à la limite ceux qui sont dans cette situation d'infirmité, dans cette situation d'incapacité à pouvoir véritablement résoudre le problème. La deuxième forme ou la troisième forme maintenant de la mendicité, c'est celle-là qui s'est transformée en un véritable phénomène antisocial. C'est la forme où c'est des hommes qui sont en bonne santé, physiquement, mentalement aptes à pouvoir être de producteurs au même titre que ceux-là auprès de qui ils vont venir tendre la main, qui sont en train de la pratiquer. Cette forme de la mendicité n'est rien d'autre malheureusement que le signe de l'incapacité de la société nigérienne à pouvoir résoudre un certain nombre de ces problèmes. Chers auditeurs, avant de continuer la deuxième partie de notre entretien, nous allons souffler en musique avec le titre Akokas chanté par Fé Abdallah Oumadougou. عينك ما يدمع mélodie de cette figure emblématique touareg parle du Ténéré, qui est une région hyper aride de plaines sableuses située dans la partie sud du Sahara, là où l'artiste a pu visiter tous les points de ce vaste espace vide. Bref, il chante toute la beauté du Ténéré. L'artiste nous a quitté le 4 janvier 2020 à Agadez, mais ses œuvres restent immortelles. C'est là le titre Akokas chanté par le feu Abdallah Oumadougou. Chers auditeurs, poursuivons notre émission avec la deuxième partie de notre entretien. Et dans cette deuxième partie, les sociologues nous parlent de comment lutter contre la mendicité. Écoutons Issa Alou Aye. Il est toujours au micro de Salamat Kadri. Quelles sont les conséquences de la mendicité pour l'image d'un pays Voyez-vous les conséquences extrêmement gravissimes pour le Niger Parce qu'aujourd'hui, l'image de marque de Niger est ternie. Je vous assure, j'ai l'habitude d'avoir des témoignages des étudiants nigériens qui disent que lorsqu'ils sont en train d'exceller dans les facultés à l'étranger, et particulièrement au Mali, on leur dira c'est les enfants des mendiantes pour les décourager, pour atteindre leur morale. On déverse les enfants de mendiants. Ça, c'est un choc. Et ce n'est pas normal que notre société soit de l'incapacité de juguler ce problème-là, soit de l'incapacité de mettre fin à cette situation de mendicité. Parce que c'est vrai, il ne faut plus la poser la question de la mendicité en termes de pauvreté. Non, il y en a des mendiants qui sont plus riches que nous autres, que les citoyens nigériens moyens que le fonctionnaire nigérien moyen. Il y en a des Mandiens qui sont plus riches parce que c'est un business, parce que nous sommes arrivés au, plus bas niveau de la morale humaine. Vous allez voir des Nigériens qui vont se déplacer à coups de millions pour être en Arabie Saoudite, Mandi, et même des Nigériens de la haute classe qui vont partir à Umra juste pour chercher dans la quête de, des zakat et revenir se pavaner à Niamey. C'est assez gravissime c'est de la même manière que le mandir lui aussi va se débrouiller. Il va tout faire pour trouver de l'argent qui puisse lui permettre d'être en Algérie, d'être en Arabie, d'être au Soudan, d'être au Burkina, d'être au Tchad pour faire son business parce que dans notre subconscient, la mendicité aujourd'hui, ce n'est plus une histoire de pauvreté, mais c'est un business. Comment amener les communautés à combattre la mendicité En créant les conditions, les meilleures conditions, ma foi, pourquoi ne pas avoir une sorte de tontine, un fonds au niveau national, pour lequel à chaque instant qui tu as besoin d'envoyer, de faire de l'aumône, tu envoies l'argent dans ce fonds-là. Et ce fonds sera géré par l'État. Et mis à la disposition de la collectivité, mis à la disposition des couches les plus vulnérables, afin de pouvoir les assister à pouvoir combattre la pauvreté, si telle que c'est la pauvreté qui est l'élément fédérateur ou l'élément qui peut expliquer cette nécessité de venir demander de l'aumône. Donc, créer les conditions pour qu'à la base, chacun reste sur soi. Les conditions de développement à la base seront créées à travers ce geste-là que les Nigériens auront à faire au quotidien. Si vous avez envie d'enlever la saccate, vous savez là où il faut le mettre. Si vous avez envie de faire de l'aumône, vous savez là où vous devrez donner ça. Et mieux, même individuellement, nous pouvons refuser de donner. Lorsqu'on va refuser systématiquement, on fait ce qu'on appelle le boycott national de la la mendicité. En une semaine, voire dix jours, vous allez voir que tous ces mendiants la vont rentrer chez eux. Parce que lorsque vous allez sillonner les villes de Yamé les grandes artères de la ville, vous n'aurez rien. Un jour, deux jours, en une semaine, c'est sûr que vous allez finir par rentrer chez vous. Eh bien, pourquoi ne pas aller vers ça Parce que ce n'est pas forcément de la méchanceté. Ce n'est pas forcément ne pas répondre aux exigences d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais non, c'est pour ne pas encourager nos parents, nos frères à rester dans cette passivité, dans cette situation, d'étendre la main. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, dans notre rubrique euh, hebdomadaire justice de ce lundi, nous allons vous parler du droit pénal, un droit qui réprime les comportements antisociaux. En fait, beaucoup de personnes commettent des infractions réprimées par les droits pénals et sans même les savoir. Nous allons éclairer nos auditrices et auditeurs avec cet entretien que nous a accordé M. Ouessou Malam Moussa Il est magistrat au tribunal de Difa. Entretien réalisé par notre correspondant Abdellah Imena depuis Ingigmi. Qu'est-ce que c'est que le droit pénal Le droit pénal peut être défini comme euh, cette branche du droit qui réprime les comportements antisociaux. Autrement dit, c'est le droit qui punit les individus qui commettent des actes ou ont des comportements interdits par les lois. C'est ce droit-là qui détermine fixe les sanctions applicables en cas de commission d'infraction par les individus. Donc, euh, quels sont les différents types d'infractions Au Niger, nous avons euh, trois types trois catégories d'infractions, donc de la moins grave à la plus grave. Nous avons dans la première catégorie euh, ce qu'on appelle la contravention. La contravention, c'est la plus petite euh, infraction dans la nomenclature des infractions au Niger. Elle est en général sanctionnée par euh, une simple amende. À titre d'exemple, on peut prendre le défaut des vignettes dans la circulation, le défaut de la carte grise. Donc, c'est des infractions de simple en deuxième catégorie, euh, nous avons ce qu'on appelle le délit. Le délit, c'est cette infraction qui est réprimée euh, généralement par l'emprisonnement qui est inférieur ou égal à 10 ans, donc qui ne dépasse pas 10 ans. On peut prendre l'exemple d'un vol simple, on peut aussi prendre l'exemple de l'escroquerie ou de l'abus de confiance. La sanction du délit, c'est une peine d'emprisonnement euh, qui ne dépasse pas 10 ans. La troisième catégorie qui est la dernière la plus grave, c'est le crime. Le crime, euh, c'est cette infraction qui est punie euh, d'un emprisonnement de 10 ans à plus. On peut prendre l'exemple d'un meurtre, d'un assassinat, d'un vol qualifié. Donc c'est cette infraction qui est réprimée d'une peine d'emprisonnement qui va de 10 ans à plus jusqu'à la peine de mort. Voilà les trois catégories de euh, infractions qu'on a au Niger. Quelles sont les différentes euh, étapes suivies par un dossier pénal Si une infraction est commise, par exemple un vol ou un meurtre, quelles sont les étapes que l'affaire suit du début jusqu'à la fin Quand on a un dossier pénal, le dossier suit plusieurs étapes euh, que nous pouvons résumer en trois. Il y a la première étape qu'on appelle l'enquête préliminaire, donc qui est exercée par la police ou bien la gendarmerie. C'est une enquête, c'est un contrôle, c'est un premier travail que la police et la gendarmerie effectuent afin de déterminer euh, la constitution de l'infraction. Et cette enquête est exercée sous le contrôle du procureur de la République. Toujours est-il que quand la police ou bien la gendarmerie, qui sont des officiers de la police judiciaire, s'ils finissent euh, leur travail, s'ils finissent le PV, ils le transmettent en premier lieu au procureur. Le procureur a ce qu'on appelle euh, l'opportunité de poursuite. Donc quand il reçoit le dossier de l'enquête préliminaire, il a cette opportunité de poursuivre donc d'engager la poursuite ou bien de classer le dossier. Maintenant, le décide de poursuivre le dossier, il vient à l'instruction. Donc, il vient devant le juge d'instruction. C'est la euh, deuxième étape. Donc, le dossier est instruit. Après l'instruction, le dossier est renvoyé par ordonnance de renvoi, soit devant la chambre criminelle si c'est une affaire criminelle, ou bien devant la chambre correctionnelle si c'est une affaire correctionnelle. c'est la troisième étape. Donc, le dossier vient à l'audience, donc au jugement. C'était là la rubrique hebdomadaire. Chers auditeurs, marquons une petite pause musicale mais changeons de rythme de la guitare à l'orchestre Gumbé Star de Maliaro. Voici pour vous les titres armés Kayo. <laughs> wanga Dans cette chanson, l'artiste chante l'ancêtre des armées Mali Bero. Évidemment, il chante le courage de ses guéris, redoutables, de et comme il a régné son empire. Un coucou à l'endroit de tous les fans de Maliaro, y compris Habiba. Merci. Oui, je suis fan de Maliaro. <laughs>

C'était le titre Zermay Imal chanté par l'orchestre Gumbe Star. Chers auditeurs, direction Dosso pour l'écho des rejoints. Au Niger, dans une note circulaire en date du 2 avril 2024, la ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, a ordonné l'expérimentation de la journée continue, c'est-à-dire une descente unique à tous les élèves des écoles primaires, préscolaires et les écoles normales sur toute l'étendue du territoire national. Notre reporter Nana Hadiza Hassan a visité deux établissements publics de la ville de Dosso. Voici son reportage. wannan sabon tsarin na ɗaya daya a cikin makarantun boko ya kumshi canji cikin tsari na yau da kullum tare da tsawaita lokacin karatu da kuma fitar da yara ke yi na shakatawa biyu a cewar shugaban makarantar garance ta daya malama harketu alisu mula wannan tsarin ya zo daidai lokacin da suke bukatar sa gane kuma suna maraba da shi sannan a hankali yare ɗaliban za su fahimta kuma su gane da wannan sabuwar dokar sai dai a cewar ta matsala guda ce suke fuskanta ita ce ta abincin da yare ke fita doka a lokacin fita shakatawa shakatawa na biyun da suke cewa da recreation matsala guda yara wajen abin ga recreation kin na biyu abinci na wuya tun da wani bai samu kuɗin da zai zo ya sai tun an recreation wasu da nan to wani bai da kuɗin sayan shi da sahari ake bashi haka nan dai amma wa'ansu uwaye to yara da hari sai sun tafi midi ya kore shi da lise sun saba su ma nan ga yan primar insha Allah saba za su yi ba a taka mun hakin ba sai kamar an saukaka muna ne tun mun tun dai da sahi da mulki kake yanzu in kai gaba da sabka guda ne zaka yi kaga a wajen fannin kuɗin da zaka sa ka ɗauko taksi ko ka ɗauko moto ko ka sa cikin abanga yanzu sabka guda ne da hudu ne kenan yanzu a cikin wannan an samu sauki a cikin wannan ka samu hutu yara ma sun samu hutu da su zo su da sai su zo da bulki karatun da an kai yau yaro su samu dama balle ta yi karanta su da in dai uwaye sun kama muna to ina ganin abin za mu samu mu ciyo kan wannan da ake cewa a da yara ba su karatu mun samu cin mishi kai wannan sha'ani. To sai dai anan ra'ayin iyayen yara ɗalibai ne ya bambanta a yayin da wasu ke ganin wannan dokar ta yi daidai waɗansu kuma suna ganin hakan bai kamata ba. irin zuba bai wallahi di kan sai gwamnati. Madam Zadi ne nuwa ya tunan di amma zan kai recreation mu prepare ko am diranda deja 10h no di gre kire midi o kai te bani di ngono ibon wa ko hal 14h mu zumu di mo doga na ka dira ora midi zan kai manci ginare kwa afongo ne kan di te ino de te man wa se de problem da kala yi tun kwa hadi di wala na wannan shirme continue kin da an kasa na yara ni bata she mini ba paske yaro in yi wuta Victor bezo zo wasi ne ya koma Tenzor ya zo da Victor ya yi dan revize ya koma equal kenan yana da tan kan reji zai kan son kan shi na marici ne in an ce jawon ne ina yaro ke da kan kan reji zai kan son kan shi na marriage kenan dole sai ya ɗauki dukkan son kan cikin dare dare guda isku yara kwalkwalwarsu na support cikin shi dukkan lusan tun na sa har marriage madan amadu zainabu malama ce mai bada darasi a aji na fudu a nan makarantar jaranke ta biyu ta bayyana mana irin fa'idoji da kuma gaban da suka samu a su na malamai dokata yo kai ka yi sai gwamni ba dan mai yi gido ku fulan zam di koi fu yi gido kun gai preparation ai ta ambo zam zumbi ya fallan kadin aga nan zanka da fulla kolodo da makaranta gono faran ga hin koi kadin makaranta eh aran su gidu masal zankai do kan yi wani wala sakulla wala haifo din ah la walla sa sakulla igo gama kani bumbo no zamu zam hau haw manna kinte me hawra zan kai bumbo diya amfani igo gabara igo gama kani gumo ke yawan kai gite paran de leve se de kiti im zan kai ware soli se za da hine din mono din dambuno da hankano ne kite zan kasi kadan ginara maka kan su gangi ni gano an gari karason no kan te rekraso sintana fi im sinan zan kai im ware ji sifu yan zan kai mu fatta kai kan waro kiki amma himanda a himanda dai waro kai ko kiya mukanda aba fatta kai yan zan fatta kai yan da agni dorandi a agir modaran da kan gokala sayar. a ƙarshe wannan gwaji a cikin makarantun firamare a ƙasar Nijar yana wakiltar wani bangare na himmanta da kuma inganta ilimi wanda zai bada da gudunmawa sosai don karfafa ilmantarwa kana kuma tushe ne na tsari mai kyau Viens souligner les belles fonds. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'heure du sport avec Adam Sariou qui est avec nous dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour Salamatou, bonjour Abiba. Bonjour Adam. Ça Adam, le MENA connaît désormais ses adversaires pour les éliminatoires de Cannes U17. Eh bien oui, le MENA est déjà fixé sur ses adversaires du prochain tournoi U17 Ghana 2024. Ces rencontres seront qualificatives pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Logé de la poule B, le Niger sera en compagnie du Nigeria, du Burkina Faso et du Togo. La poule A est composée du Ghana, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Le tournoi IFOAB U17 est prévu du 16 au 28 mai prochain à Accra au Ghana. Bonne chance aux pépites du MENA. Adam, parlons à présent de la Coupe nationale du Niger. Eh bien, tout au long de la semaine passée, les différentes pelouses du pays ont vibré au rythme de la 16 au rythme des 16e de finale de la Coupe nationale. À la fin, on connaît toutes les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. Adam, je suis sûr que nos auditeurs aimeront savoir les chocs prévus durant ces huitièmes de finale. Cette étape débute aujourd'hui même avec deux grands chocs entre les équipes de la Super League. À Niamey, l'AS Garde Nationale reçoit l'AS Douane et à Maradi, le Zongorzo Football Club accueille l'Olympique FC de Niamey. Le leader du championnat, AS Fan, se déplacera le vendredi à Difa sur le terrain du Nima FC. Adam, pour finir, parlons de la troisième édition du Diathlon international de Damara en Centrafrique. Tout d'abord, chers auditeurs, Damara est une ville de la République centrafricaine. Deuxième sacre pour le théâtral nigérien Issoufou Sani Burema à l'occasion de cette troisième édition du Diathlon international de Damara. C'était ce dimanche 21 avril 2024 devant la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le, la Centrafrique, le Bénin et le Rwanda. C'est la fin de cette chronique. À demain pour un autre numéro avec Hassoumi Grouza. Merci Adam, chers auditeurs. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Il est 11h passé de 38 minutes et c'est l'heure du portrait du jour. Habiba, tu nous présentes qui ce matin Salamato, le portrait d'aujourd'hui nous amène en Bruxelles à la rencontre de Moussa Ousmane dit Megerizi, un jeune Nigérien de 35 ans qui vit en Belgique depuis 2012. Aujourd'hui, il travaille dans la restauration, une activité qui lui permet de subvenir à ses besoins. Son portrait avec Habibou Garba. magarizo mantikala furta gino mota no agorga zurandi kamba sisirai kampani fora neo nyamai kwarora jiri bo bongana no go ne wote halaga naru koi no dini europe labu go koi ginga me wallahi ai gana aga ka visa dai no irkone no sa yayi do visa ni yo sambu ay kak zombu france daga france ay kana hare belgique labora hala yidir ai wo chauffeur zinano no ay di kan asigite de ne ne zam chauffeur ki bana zambar wo kindugu handu ifono nigini bon gayinda ifono nigini famio gayinda ay gondo wonda mo lokkuconi ay gondo mo yisi hunkuna ago bruxelles no din belgique club ago naga goymo restaurara goy wayne ora dayno musu go naga ceci ginga won me yana ginga murada feri zama go naga ba samba bore kay yango niger se son kanay go belgique wo go karane go restauration rano ay go iga restauration bore kay yanga ka igini gorandi irgi a kihira kihirin hannu da in waka bandir ma nangai tusir mu nangai habu wadin da yake cewo ai gokara ne gone baljik aramo dai no ai murado kulgote wallahi za da ka labora ai mante ba handu yanzu kai sintin gasan ba banda ne go halaka son ba hun kun me ci no bun kai go kai kan den ne hawo yin zambur wai dusan ba mai gari ne kan in murado go na gite baljik zamin ga go na gudu da dalai zaya amma go na gijin da da nizar furta ga im gorfu ga du murado kan yi ga sandi fu wono bisa la sabo kan ay gici nigeria ngai se kan yango niger dai wo gudu ai kan go ne wo tarai ne bai zarmai no ne da har do muru kaliyo ya din ga suruwo ai kul bandana gidi hal dai wo gudu ai kul kan go bora se fu mo goran da kikin da fu aga te bora se dago ne ka ba ba ni noro ma no ki visa te ga kanango mai gari zu fille kan naruya har no kan ga bori amma dai bor mo gorfu gin murado ga sandi aga bisa wai ni se bumbo a gona gijin da na hinoga imalakaliye furta kangana imura Reportage réalisé par Habibou Garba. Chers auditeurs, bouclons notre playlist avec l'orchestre Toubal de Dosso qui nous chante Gozon Bureau. On écoute. Show <laughs>

Voilà, chers auditeurs, c'était l'orchestre Toubal de Dosso. Chers auditeurs, le loti d'aujourd'hui nous parle de quoi ça parle du petit cola qui fait la cote chez les femmes, notamment ici au Niger. Pour cause, il serait un puissant aphrodisiaque et ces dernières en consomment comme KM, KM Mata pour pimenter leur vie de couple. Et oui, cependant, nombreuses sont celles qui en abusent et ce n'est pas sans conséquence sur leur santé. Retrouvons Recha Arimi et Samira Rouafi pour nous en dire plus. Affairage, affairage, affairage, affairage. Coco, Coco, Coco, il y a quelqu'un ici Oui, un truc Bonjour ma belle, ça va Tu vas bien eh, c'est toi Bonjour, comment tu vas Bismillah, prends place. J'ai fini d'écraser mes petits colas, je te reviens. Hmm sa fille avec ses spécialités. Écraser les petits colas pour faire quoi avec Hey, ma cocotte, tu n'es pas dans ces monde. C'est un aphrodisiaque très efficace, ma belle. Le petit cola possède des vertus qui stimulent l'appétit sexuel chez la femme et surtout chez les hommes. C'est vrai, sa fille. Le petit cola a des vertus reconnues en médecine traditionnelle africaine. Et j'aurais même appris qu'il contient des substances antiseptiques, antioxydants et anti-inflammatoires qui aident à soigner quelques maladies telles que la plaie de ventre, les plaies curable et tout. Il soulage les maladies bucco-dentaires et rafraîchit la laine. Il soulage aussi les règles douloureuses, l'ulcère gastrique à cause de sa teneur en caféine, qui dépasse même celle contenue dans le café. Et sans trop parler, ça soulage beaucoup des maladies. Mashallah, c'est une bonne nouvelle ça. Tout. Tu vois, je ne connais pas tout cela. Oui, Safi, mais de la façon dont tu en consommes, hmm, on dirait une vraie, vraie, vraie spécialiste. Kadi, je consomme à peu près 20 colas par jour. Ce n'est pas beaucoup. Subhanallah. Sa fille, son excès de consommation est très dangereux. Il est conseillé par les médecins de ne pas passer deux noix de cola par jour. La plupart des personnes ne connaissent aucun effet secondaire. Mais si on en abuse, cela peut entraîner chez certaines personnes des problèmes digestifs et dans des cas rares des maux d'estomac et des nausées. C'est aussi très dangereux pour une personne qui a des problèmes cardiaques et un hypertendu. C'est de conseiller de prendre le petit cola si vous êtes enceinte ou pendant l'allaitement. Les vins noirs je ne les consomme pas seul, hein, J'y ajoute du gingembre et du coulou de girofle pour booster ma libido et celle du chef. Ya salam, Donc, si je comprends, tu veux me dire de ne plus le consommer non, non. Tout ce que je veux, c'est que tu arrêtes d'en abuser. Depuis fort longtemps, le gingembre est consommé aux quatre coins du monde pour soulager différents maux tels que les rhumatismes, les nausées, le rhume et les maux de tête. Mais en cas de surdosage, vous aurez des effets secondaires comme brûlures et des maux d'estomac, des gaz et des ballonnements, des diarrhées, mais aussi des menstruations plus abondantes chez les femmes. Le clou de girofle est un aliment sûr, mais comme les aliments, mieux vaut éviter les excès. Ok, ok, ok, je comprends maintenant. Je vais juste essayer d'en prendre en petite quantité. Ce n'est pas une question d'essayer. Il faut que tu le fasses. Et tu dois en prendre en une quantité raisonnable, c'est tout. Mais toi, de préférence, comme tu en as trop consommé, fais une pause pour un certain temps, vraiment. Tout d'accord, comme tu veux. C'est pour ton bien. Hein. Sinon, si tu ne fais pas attention, ça va affecter tes reins et ça permettra à Aura de prendre une seconde épouse. Subhanallah, une seconde épouse Hmm. Donc arrête de faire la folle. Tu te rappelles, ma cousine du même âge que moi là, elle est toujours célibataire. Elle cherche désespérément un mari. À ce que je vois, ils formeront un joli couple avec Rachid, ton mari. <laughs> Qui Rukaya, pardon. Et pitié de moi. Je ne peux pas supporter ta cousine là. fais attention. En voulant arranger, à ne pas tout gâter. <laughs> l'excès de tout est nuisible, Salamatou. Eh oui, Habiba, j'espère que tu ne fais pas partie des clubs euh, des consommatrices de beauty cola. <laughs> non, pas du tout, Salamatou. Chers auditeurs, c'était le loti du jour. Dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Samira Oumarou pour la culture linguistique. Nous allons découvrir ce que signifie le mot concorde en anglais. En effet, le 24 avril de chaque année est célébrée la journée nationale de la concorde au Niger, une date qui marque la signature de paix entre l'État du Niger et les les rebelles en 1995. auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Culture linguistique. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to your show Culture linguistique. Le mot du jour est concorde. Concorde en anglais means concord. Concord is an agreement of harmony between people or groups. Let's take an example. The most perfect way that we have of expressing a sweet concord of mind in each order is by music. That means le meilleur moyen que nous avons pour exprimer une douce concorde dans l'esprit des uns et des autres est par la musique. La journée de la concorde marque l'anniversaire de la signature de l'accord de paix du 24 avril 1995 entre le gouvernement du Niger et l'organisation de résistance armée au palais du Congrès du Nyami. The Day of Concord marks the signing of the peace agreement between government of Niger and the Armed Resistance Organization. Il a marqué le début de la fin de la rébellion en 1990 dans le nord et l'est du pays, menée par les éléments Touareg, Toubou et d'autres communautés. It marked the beginning of the end of rebellion in 1919. Chers auditrices et auditeurs, nous voilà à la fin de notre rubrique. That's all for today. On se dit à très bientôt et au revoir. Merci Samira, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, Hausa, Germain, en et Tamashek, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au numéro 82 89 89 64. Et justement, nous allons écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Studio Kalangu, tona radio marhaba Tsarimu suna daidai. lokaci zuwa lokaci suna zakuwa su kawo mana ziyara ko wannan ma mu ma da an mutanen rediyo marhaba muna jin daɗin hakan tunda sun kula da mu su to su yi kwanaki mu zamana mu da su mu kawo ra'ayinmu mu da muke gani da abun da su ma suke gani gare mu kuma hamma akwai ma'aikatan da suka kawowa tare da su da suka zuwa reportage hakan ga bisa kan ra'ayin matan gari bisa ayyukan da suke yi kuma da zamantakewa na yau da kullum to wannan abu abu ne mai daɗi yana birge mu sosai wani ko muka so a ƙara wannan ziyarar da su kawo muna muna son kullum su kawo shi kuma lokaci zuwa lokaci ma wannan chef de kitchen nan shi ma ya kamata ya yi sible da village da shi kan kashe ma yake tahiya da shi da ekipkin su to wannan yana ƙara sa mutane su so wannan studio kalangu Jiyo marhaba da kalangu matukir godi igoye go koida daidai no igoye go koida ai kirga gaba dai kati imagaban di borai bongai feri yan ai bon woi borai hanan yango da zankai iza wai targa di yan ai dini imagaban daga da borai mu gaban di iza waye mu mu koi ekol da bayan bon ya kirga ba dai dai gadu ba era ima tonton kalangu si da marhaba feri kalangu min ga era da ngirma sabai ga hangan wallahi zamir goma akani gumu gumu marhaba da isijo kalangu goyera haya hakan siga wasu kaci lokaci za marhaba za kalangu lokaci ki gono ikaina dirgadu im tonton lokaci ga wakan yan igote ikul iga buri irga bare gumu imu guna haifoyan kan ga tonton kiltire bon hare da hankan ga himanda irga jingine irga sabu rajo marhaba kan gone kisingine kan na iru dugudu korfa kaga to idabu carga irgo ga hangana se ya dinga rajo marhaba da kalangu igoro yo ki goga tewo kalla. zabda da radio marhaba sino kenan kalangu ya dingir simarami ya dinga igo gokyar bande irbo ngai feri muradu kurgo gate era kan ko coki aga kimi mutontona era ga kaina mu duga ma sanni gere zam da bani isma kani ir koy talbe no mi gagay kerbande ir koy mi murade gasandi ira jo marhab ir kwai ma nangir se nan kalan ir duwa indai gogo kerbande yadin no zama songo radio marhaba da kalangu kainin da bere no a hima ye ka cerdi gumu gumu sanda mata kan igoga cerdi wo warbobon igoga ci ye ka lokacodin tonton kwa tanda era no siga wasa isa oh, lalle da mat kan jama kulu cida dai no ay bo kan ay gonda anni ay mi cida kiti lokaci odin bon kalangu era din ahima ima tonton wadinga jama'a igadu gabi kan na hangan agi hinka e de langu ga zaro kul borengo no kan hinka zaro kul te igo gorgara dia anga donc kiro wa ga te irse de kati ima tonton da programe zama programe kan kalangu go tera irman di waki ga hinka ka de imu tonton o donc irga ba imu karga guna programme ki ga tonton irse kan gana lokaci amaku auditere imu du courage kan foiga radia hangan kan si fargandi wadino iro irga ba kalangu assalamu alaikum Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Habiba Ahmed et moi-même Salamot Kadri. À la technique, nous avions Amina Hassan et Adam Adawaki à l'édition. Excellente journée. Bye bye.